20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Les pêcheurs exposent leurs préoccupations au ministre de tutelle. Omar Gueye annonce 19 complexes frigorifiques et d'autres projets pour soulager les femmes qui s'activent dans le secteur. Le ministre de la Pêche a lancé les travaux de la maison des pêcheurs de En état de délabrement avancé, le lycée Armes de Lamine Davo de manque de tout, salle de classe et matériel didactique insuffisant. Les autorités de l'établissement crient au secours. Les produits dépigmentants, toujours très prisés malgré leurs conséquences néfastes sur la santé. À côté des méthodes traditionnelles, émergent d'autres plus efficaces mais plus dangereuses. Vendeuses, vendeurs, clientes et dématologues s'exprimeront dans le dossier du jour à suivre dans cette édition. le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a procédé à la pose de la première pierre de la maison des pêcheurs de euh, L'infrastructure va coûter 100 millions de francs CFA. Omar Gaye annonce la mise sur pied de 19 complexes frigorifiques d'un coût de 10 milliards de francs CFA. D'autres projets sont en vue pour euh, soulager les femmes qui s'activent dans le domaine de la pêche. Celles-ci rencontrent énormément de difficultés. Omar Gaye est interrogé par notre reporter Yamoukoli. Également, dans le cadre des investissements destinés aux femmes transformatrices, le président Macky Sall nous a instruit de construire des aires de transformation modernes pour diminuer la pénibilité du travail de ces braves femmes. Cette année, nous allons construire 19 complexes frigorifiques pour un montant de 10 milliards de francs CFA. La subvention moteur vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 5 000 moteurs, mais le président Macky Sall l'a augmenté jusqu'à 20 000 moteurs. 1 milliard de francs qui sont mis à la disposition des pêcheurs chaque fois qu'un propriétaire de pirogue achète un moteur, eh bien, il reçoit une subvention de 1 million. Lorsqu'un bateau fait cette pêche illégale, eh bien, l'amende est passée de 250 millions à 500 millions minimum avec un maximum de 1 milliard. Et s'il y a récidive, eh bien, le bateau est confisqué par l'État du Sénégal. Je vous l'annoncer, le lycée Amadou Lamine Dabo de Mbourg menace ruine. L'établissement a été construit il y a une cinquantaine d'années. Le mur de clôture est presque à terre. Les salles de classe sont insuffisantes. Absence de bibliothèque et de matériel informatique. Et en plus de ça, il y a un manque de terrain de football ou de terrain de sport. Bref, le lycée présente un tableau pas du tout reluisant, nous dit notre reporter sur place, Mamadou Diop. Construit il y a 50 ans, le lycée Amadou Lamine Dabo, ex 1 de est un établissement qui est actuellement confronté à d'énormes difficultés. Les effectifs, en tout cas, sont énormes. Parce que sans élèves euh, dans, une salle de classe, ça c'est intenable. C'est vraiment infernal. il y a, a d'énormes besoins. Il y a d'énormes besoins. Je pense que le plus urgent, c'est le mur de clôture là. Parce que ça, si l'officier BAC est au courant, nous, ce qu'on pas de la centre. Euh, un lycée qui perd son centre, l'examen, ça pose des, problèmes. Mais c'est vrai que nous avons des besoins en équipement, côté pédagogique, côté informatique, et même au niveau des tablements. on a encore besoin de, plus. Le manque de salles de classe et la vétusté des bâtiments existants restent le principal problème de chez Ahmed Lamine Dabo. Attends, le lycée a, besoin de plus de beaucoup de salles de classe. D'ailleurs, nous n'avons même pas de laboratoire, nous n'avons même pas de bibliothèque. Oh, oui, euh, ici, en fait, euh, les responsables de l'école ont expliqué d'abord c'est bien qu'il remercie le conseil départemental sur l'apport qui a été fait, mais que les besoins sont effectivement énormes. C'est des besoins en salle de classe encore, c'est des besoins en table banc, donc c'est des besoins en équipement informatique, des besoins en équipement euh, comme on appelle, euh, pédagogique, notamment en matière de, physique et de chimie. Et donc, tout euh, il faut aller dans ce sens-là. À ces difficultés s'ajoute l'absence d'infrastructures sportives pour les élèves. Le conseil départemental de Mbour, soucié des difficultés que rencontre cet établissement, vient d'y construire deux salles de classe. Parce que c'est un établissement qui a un ratio pratiquement de 100 élèves par table bon, si on compte l'insuffisance et si on compte aussi le nombre de salles physiques. Pour sortir le lycée Ahmadou Lamine Dabo de sa maladie, la direction et les anciens de l'établissement invitent le gouvernement et les bonnes volontés à agir très rapidement. Adulation d'une rencontre maçonnique à Dakar, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal s'en réjouit et ce n'est pas tout. Elle exprime sa solidarité à la population casamanceaise et à l'imam Aline Badarandao. L'organisation a renouvelé ses instances euh, en présence de notre reporter Yamoukoli. En marge d'une assemblée générale, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a procédé au renouvellement de ses instances L'occasion est saisie pour saluer la décision des autorités d'interdire la rencontre internationale sur la franc-maçonnerie à Dakar. La Ligue se réjouit de la décision bien inspirée des autorités d'interdire la tenue de la rencontre internationale sur la franc-maçonnerie prévue à Dakar. La Ligue félicite le gouvernement du Sénégal pour sa clairvoyance et l'encourage à redoubler de vigilance pour la sauvegarde des valeurs qui constituent le socle sur lequel repose notre nation. Actrice de la société civile, l'organisation religieuse a aussi abordé le dossier de l'imam Alun Badarandao et l'attaque de Bofa en Casamance. La Ligue rejette et condamne fermement et vigoureusement toute forme de violence d'où qu'elle vienne, notamment celle faite prétendument au nom de l'islam, qui est par essence une religion de paix et de tolérance. La Ligue condamne fermement les massacres commis dans la forêt de Bofa Bayot en Casamance. Ces imams et prédicateurs condamnent ce qu'ils qualifient de tentatives ourdies visant la destruction des valeurs morales et religieuses du pays. Ils lancent ainsi un appel à l'endroit des forces vives de la nation pour un dialogue national au fin de retrouver un consensus national intervenons nous aux présumés terroristes et à leurs défenseurs. Le mouvement Nutudeg avait l'intention d'organiser un rassemblement avec euh, toutes les familles des détenus. La manifestation a été tout simplement interdite par le préfet de Dakar, ce que la bande à Harim Khouroum Hak déplore formellement. Je vous propose à ce titre d'écouter leur porte-parole, Oumar Sarr. Il est interrogé par notre reporter était un peu spécial parce que c'était un c'était un foire tegitoum. C'est-à-dire, on voulait rassembler tous les familles des détenus présumés terroristes euh, dans, un, dans, un seul lieu, hein, que qu'on fait des, expositions avec des stands et tout, pour qu'ils disent aux Sénégalais qui sont exactement leurs parents. Pourquoi l'État pose autant de moyens autant de moyens, autant d'énergie, juste pour bloquer une information. Parce que le mouvement était venu pour une manifestation très pacifique, juste pour donner des informations, juste pour montrer aux Sénégalais que voici Moustapha Diata, voici Omar Keita, voici Boubacar Ndiaye, voici Mamadou Moustapha Ndiaye, Mbaye ainsi que Imam Aline Badarandao. Mais ça, il n'y a rien de mal. Pourquoi ils nous demandent de ne pas faire ça Parce que c'est lourd. Maintenant, on a besoin, on, on demande à Macky Sall de reculer. Il n'a qu'à poser les armes parce que ce combat n'existe pas il n'a qu'à nous laisser exprimer notre religion. Nous allons donner corps et âme, nous allons tout donner pour la restauration des valeurs, pour la représentativité de la religion musulmane ici au Sénégal. La politique rencontre des unions régionales du Parti socialiste, le département de Rufusque à l'honneur. La vente des cartes et l'exclusion de certains responsables socialistes sont invités aux échanges. S'agissant de ce second point, les socialistes ne veulent pas trop s'épancher sur la question. Ils ont tout simplement décidé de tourner la page, n'est-ce pas, Ibrahim Fall ce sont des militants engagés à redynamiser les instances du Parti socialiste. D'abord, la vente des cartes pour préparer le congrès. Après les départements de Dakar, Guijouaï et Pékin, place au département de Rufisque. Comme nous voulons respecter les termes des mandats, à la suite euh, de cette réunion, euh, au plus tard dans 15 jours, dans tous nos comités, dans toutes nos bases, les cartes euh, seront donc vendues et au terme de la vente des cartes, au bout de trois mois peut-être, nous commencerons donc les renouvellements et l'aboutissement de ces renouvellements, euh, ce sera donc le congrès qui va être organisé au mois de juin si tout se passe bien. Sur la question des dissidents, la réponse est simple. Ils appartiennent au passé. Nous pensons que nous, au niveau de l'Union départementale de que les neuf coordinations, ainsi que les militants qui remplissent la salle, euh, sont d'accord avec la décision euh, du bureau politique d'exclure ses camarades qui ne se retrouvent plus dans la ligne du parti. Ça, quand on le dit, on le dit en parfaite méconnaissance de la démarche et de la procédure dans le parti. Je dois vous dire qu'une euh, commission présidée par le président Cheikh Soussoukou a pendant plusieurs mois tenu des rencontres avec ses ex-camarades pour les amener à rester dans le parti. C'est à la suite de tout cela qu'un rapport a été fait au bureau politique constatant que les camarades en question ne veulent plus euh, venir répondre aux convocations du parti ou ne veulent même pas venir répondre aux convocations de la commission. C'est à la suite de cela. Et quand on est dans un parti avec des règles, je pense que c'est l'article 7 de notre parti, des statuts, qui dit que on ne peut pas être dans le Parti socialiste et être dans des organisations, des structures ou des listes parallèles au parti. Les socialistes réitèrent leur ancrage à la coalition Benno Bokyakar. Le PS multiplie les rencontres pour massifier le parti, même si des responsables sont exclus. Ousmane Tanor n'est nullement inquiété par l'éviction de Khalifa Sall et compagnie. Le secrétaire général du Parti des Verts estime que cela n'ébranle guère la formation politique. Il a réitéré l'ancrage du Parti socialiste dans la coalition Benobo Yakar au micro de notre reporter Ibrahim Fall am na ay jafe-jafe ci àndandoor bi ci ci section yi ci coordination yi ci département yi xam naa bu baax mais jafe nous sommes des légalistes nous sommes dans notre droit parce que des responsables ont approuvé notre démarche et c'est la majorité qui décide. Des crises politiques sont tout à fait naturelles. Dans un parti politique, dans une coalition, à plus forte raison, une coalition des coalitions. Lorsque nous avons interpellé la base et les responsables, ils nous ont donné carte blanche. C'est ce qui a amené ces problèmes avec euh, nos militants qui ne veulent pas que nous poursuivons cette démarche. Mais la logique voudrait que vous suiviez la majorité parce que nous estimons que cette coalition est bonne pour le Sénégal. Sur les 139 coordinations, les 117 ont approuvé notre démarche. Donc, nous sommes des légalistes. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'ils sabotent notre réunion de bureau politique, créant des problèmes ça et là, en vendant des cartes qui ne sont pas les miennes, en participant à des élections avec une autre liste. Donc, nous pouvons en tirer comme conclusion que ces responsables-là sont auto-exclus. Ils ne font plus partie du Parti socialiste. téeméer yi ak fukk yi ak juróom-ñaari coordination wax ne kon léegi nañu ànd ci benn Bokk Yaakaar ah su dee da nekk ci mbooloo ngeen toll téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ak fukk yi ak juróom-ñaar ni lii lañ bugg mais ñi des dañu war a topp ci li li ëpp bëgg noonu la ñuy Sur tout autre registre, l'Union de coordination de la gestion des déchets solides a magnifié le travail de ses plus veillants agents. L'événement a été placé sous le signe de la célébration du technicien de surface et son enfant, occasion pour ces professionnels d'exiger de meilleures conditions de travail, un moment de fête qui a aussi permis d'octroyer aux enfants des militants de la propreté des maisons et de l'espace public des L'unité de coordination de la gestion des déchets solides a rendu hommage à ses plus vaillants techniciens de surface un spécial arbre de Noël dédié aux enfants des travailleurs du secteur du nettoiement qui vient aux yeux de l'UCG matérialiser le rôle social de l'entreprise. On a vu une forte mobilisation des travailleurs, sans exception. Tout le monde est venu avec euh, leurs femmes, leurs enfants, euh, pour euh, d'abord communier, communier parce que ce que nous voulons, c'est une cohésion sociale, mais aussi fêter, fêter les meilleurs parmi nous. ça a été l'occasion de récompenser le meilleur dans chaque poste, le meilleur balayeur le meilleur collecteur, le meilleur chef de secteur, le meilleur chef de zone, le meilleur inspecteur, la meilleure ambassadrice. Moment convivial pour renforcer la cohésion. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement a saisi l'occasion pour appeler à l'unité du mouvement syndical. On a dit que 2018, c'est une année sociale. La raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut qu'on unisse nos, nos forces pour permettre maintenant aux braves techniciens de surface de tirer leur épingle du jeu. Au-delà des acquis, l'UCG plaide aujourd'hui pour une meilleure prise en charge sanitaire de ses agents. Les perspectives pour la politique sociale, c'est vraiment de renforcer la couverture sanitaire. Euh, aujourd'hui, on veut vraiment que les agents soient dans de meilleures conditions de travail, que les agents aient des équipements euh, complets, que des agents soient soignés à chaque fois et bien soignés à chaque fois qu'ils en ont besoin. En tout cas, moi, j'ose espérer en tant que membre de cette convergence syndicale, pour que 2018 soit l'année des techniciens de surface, pour qu'il y ait des augmentations de salaire. Puisque nous, nous avons dit, on ne peut pas concevoir sur un budget de 17 milliards que la masse salariale des travailleurs n'était pas même pas 3 milliards. Pour clôturer l'événement, les plus vaillants travailleurs se sont vus distinguer. Des cadeaux ont également été distribués à leurs enfants, un lot de 800 tablettes, des vélos entre autres présents, leur ont été octroyés. L'infamie des produits euh, dépigmentants n'est plus à démontrer et pourtant ces, substances sont très en vogue au Sénégal. Puis l'usage se modernise, de nouvelles techniques de dépigmentation sont à la mode. Ironie du sort, euh, une loi adoptée en 1979 interdit cette pratique. Au Sénégal, l'usage de ces produits constitue un réel facteur à risque selon les spécialistes. Reportage DTV sur la dépigmentation et ses conséquences réalisé par Mariam Biramba pour vous. Suivez donc. Ah, ah, Au Sénégal, les produits dépigmentants sont très faciles à trouver à des prix accessibles pour toutes les bourses. Dans tous les marchés, ils sont en vente libre et pourtant, il y a une loi datant de 1979 qui interdit la dépigmentation mais elle n'est pas appliquée. Selon des sociologues comme Calignan, la dépigmentation de la peau est passée d'un phénomène social à un drame sociétal. un drame qui n'effraie guère la jeune féminine. On le sait bien, on sait aussi les conséquences et c'est très dangereux aussi pour la peau. Mais on va juste faire le minimum, mais pas abuser. Sophie ça donne à cette pratique à cause de la société, une société sénégalaise qui se dépigmente depuis belle lurette. Auparavant, les femmes faisaient des mélanges à base de soude ou d'acide, phénomène appelé nyaral. Peu de temps après, les produits dépigmentants importés du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, envahissent le marché sénégalais. La plupart de ces produits contiennent de l'hydroquinone et des corticoïdes, des substances toxiques illégales de s'en servir comme des produits cosmétiques. Il y a une loi derrière ces produits. Mais malheureusement, la loi n'est pas bien appliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, la vente de corticoïdes, c'est comme des bonbons. tous les tubes contiennent du chlobétazole. L'autre produit, c'est ce qu'on appelle l'hydroquinone. L'hydroquinone est un produit qui, il y a quelques années, était géré par les milieu pharmaceutique. Maintenant, c'est le business qui le gère. Comme il n'y a pas de contrôle derrière, il n'y a pas de rigueur scientifique, il n'y a rien, vous pouvez, dans, votre usine, mettre 6% et inscrire sur, le type 2%. Donc il y, a trop de tricherie, il y a trop d'abus avec l'hydrocarbone. Exposés au soleil, ces produits créent ce qu'on appelle la phototoxicutanie. Résultat On a des taches sur le dos, on a des taches noires sur les mains, c'est les femmes que vous voyez qui ont les, mains qui sont vertes un peu, mm. hein, les taches, les tirer sur le dos et des lunettes. Mm. Les corticoïdes donnent beaucoup d'effets secondaires. Mm. Les corticoïdes donnent des vergetures. Les corticoïdes donnent des boutons, qu'on appelle les acnés du village. Donnent ce qu'on appelle de, de, c'est-à-dire vous avez des poils. Les corticoïdes donnent ce qu'on appelle l'atrophie cutanée, c'est-à-dire que la peau devient plus, plus, plus, plus, plus minces, plus faibles, et vous vieillissez. Ces femmes qui utilisent des corticoïdes ont facilement des infections. Les infections, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites. Donc c'est pourquoi elles ont facilement la gale, elles ont des plaies, elles ont ce qu'on appelle cette maladie mortelle qu'on appelle l'érysipèle. Et en utilisant ces corticoïdes sur de longues durées et sur des années et des années, ce produit passe dans le sang. Et quand il passe dans le sang, ce produit donne ce qu'on appelle des effets secondaires métaboliques systémiques dans le sang. C'est pourquoi il y a des risques d'hypertension artérielle, des risques de diabète, des risques de perturbation du cycle gynécologique de la femme. À part l'hydroquinone et les corticoïdes, de nouvelles techniques de dépigmentation font leur apparition. Awa, gérante d'une boutique à Sandaga, nous en dit plus. Les glutachones aussi, il n'y a pas hydroquinone. C'est un médicament. Il y a des comprimés aussi, il y a piqûres il y a du pour les corps aussi. La différence, c'est que l'hydroquinone, ça garde les corps et puis ça ne fait pas une forme. Bon, là, quand tu utilises, ça te donne un teint, une forme. Un teint uniforme qui peut également virer au drame. En effet, selon des statistiques, une personne sur quatre meurt 15 jours après une injection. Et c'est extrêmement dangereux donc l'utilisation abusive de ce produit puisque une des complications réelles et patentes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lyme. C'est comme si on se brûlait la peau. Ça s'appelle un syndrome de haine. Et ce syndrome de haine, si on ne s'y prend pas très tôt, peut être mortel. Un gage de réussite et de beauté qui constitue aujourd'hui un problème épineux de santé publique. Au Sénégal, toutes les couches sociales de 15 à 45 ans sont concernées par la pratique de la dépigmentation. Dès lors, les autorités sanitaires sont interpellées pour interdire l'usage des médicaments à des fins cosmétiques, aussi à l'État de veiller au respect strict à l'application des sanctions de la loi interdisant la dépigmentation au Sénégal. Dossier réalisé par Mariam Birambo qui nous parlait de la dépigmentation, ses formes et ses conséquences. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaitez une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. jàpp yu mel crise cardiaque loolu la ñuy waxtaanee tey ci sen émission SOS santé. da ngay gis euh, xol bi yépp euh, bép fànn ci xol bi di nga ko gis euh, gis ko ni mu bindoo ak su amé lo xamné ne jaarul yoon di ko gis su dee xol bi tamit mi ngi dox normal di ko gis donc examen bu am solo la cardiologie. Euh, parce que feebar yu bëree bëri bëri si ci mbiru xol euh, échographie mën na ko biram yaa si ñoo ko baay ma jooru saale bi ngi mbaan de yoo tey mbanga grand show nouvelle saison ça démarre avec moi ce 27 janvier 2018 à partir de 21h sur DTV. Ce sera magnifique. Il y aura beaucoup d'artistes, plein d'artistes plasticiens. Je vous rappelle que ce sera en direct. Il y aura beaucoup d'invités, des artistes en général, des chanteurs, des musiciens. Il y aura beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc je vous invite vraiment ce 27 janvier à l'hôtel à la FIFA et ce sera magnifique avec DTV à partir de 21h. merci peace love and sunshine jaajëf kër yi lu wóor kenn daawu ko tooñ mbiram Yaasin déedéet kenn daawu ko tooñ mbiram Yaasin kër yi lu wóor kenn daawu ko tooñ mbiram Yaasin déedéet kenn sañu ko wóor au Théâtre National Daniel Sorano le vendredi 2 février Malembaï à Kokanle la ñu ne xale bi nga xam mon mon Cité Fadia ñoom ñëpp Mom le Nubug bëgg moom mon Aslem Mom ci Lewa Sénégal bëgg rek Kokanle yàlla tax Kokan la ñu ku spectacle à Kuniko Today ko London Music Ndey Diouf Falou Fallou ak Kumba Gawlo Sek, ñoom la Malemba yi goudem guddeem gu rëy gii mam ko du mu grande couturière Moustapha Diop maire Boulouga, Louga Ndiaye responsable politique à père, adjointe au maire de la commune de Baba Garage woo Titi Amboki, ah, Titi nga Dayad Gali daa yàgg Wati Traoré Italie Rabia Ba Angleterre Soda Papadam Dam Le Family Bambayan, Mamito Idrissa Sarr Gorou Boussefal, Ahmed Aydara, borom Gedjawai Tila Bok, la Diop responsable politique à Guédiawaye Fatou Guewel Ndanan Boumak Binga Khamni, nga Aziz Ale kookoy borom diwlin j'adore Charaf Niass Medina Baye Mambaignan, ministre du tourisme Amin Mbengue ministre pour élevage Konakreo Kheo xew-xew Malem ngoog yéen monsieur Abdoulatif Koulibaly ministre de la culture Sali Diallo Omar Baas Fadembe Lalinguère Moussa maire des Parcelles Zassini, Naboudjane, Diagne Na TV vendeur de pièces détachées à groupam Difoncé Baclo Agua Alliance Difoncé Konakreo Kheo xew Omar Mbou defal grand boubou Madame grand boubou Jitlé, ay bu nga vendredi 2 février ci théâtre national Daniel Sorano à Amboki, entre 5000 VIP 10 000 narna Bienvenue dans votre minute TNT. Le sujet d'aujourd'hui s'intéresse à comment reconnaître le vrai décodeur homologué et estampillé TNT by ESCAF, comment l'acquérir et comment l'installer. Sujet numéro dans le précédent numéro, vous aviez vu tout le mal qui s'est donné pour regarder la télé. Aujourd'hui, il décide de faire un grand pas vers le numérique. Issa, lui, a décidé d'aller chez Escaf Telecom pour acheter son décodeur TT by Escaf. yéen tamit mën ngeen dem ci suñu revendeur agréé yi nga xamante ne ñu ngi partout fii ci Sénégal ngir mën a jënd seen décodeur TNT. dama ñëwoon pour jënd si décodeur TNT by Excaf. ñaar yi ñoo ci nekk ñoo ci am. Il est important aujourd'hui de reconnaître le vrai du faux. Il existe seulement deux décodeurs TNT by SCAF qui peuvent recevoir parfaitement le signal numérique. Félicitations à Issa. Il vient de faire un grand pas vers le numérique. Maintenant, il reste une étape très importante qui est l'installation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais non, Issa. Jarouli installer son décodeur TNT, c'est comme un jeu d'enfant. Tout d'abord, il faut bien vérifier si vous avez la bonne antenne, c'est-à-dire l'antenne râteau, et si elle est bien orientée pour recevoir le signal. Étape numéro 1. Installez votre carte dans votre décodeur. La puce est orientée vers le bas et au fond du décodeur. Étape numéro 2. Si votre téléviseur ne dispose pas de connecteur HDMI, veuillez brancher votre câble RCA et c'est encore plus facile car les couleurs vous guident. Étape numéro 3. Mettez le câble de l'antenne EHF à l'entrée RHIN de votre décodeur. Et enfin, étape numéro 4, installez l'alimentation électrique du décodeur puis le raccorder sur une prise électrique. bravo Issa gis nga installé nga sa décodeur TNT te amoo ci benn problème ñuy fàttali ne yéen ñi ñuy seetaan tamit te xaw a am tuuti jafe-jafe ak seen décodeur TNT suñu équipe ñu ngi sur le terrain dinañ ñëw ba ci seen biir kër loolu nañuy woowee euh, campagne ñemeeku sa TNT phase 2 waaye bu leen fàtte nag euh, ndaw yi nga xamante ne ñoom nañuy yónnee carte bii nañ leen di wan bu ñu ñëwee seen kër